Toute la famille veut du Mélolac. Lac est un produit fabriqué par Senfood Sénégal. EBS e banopi un matériel électroménager de haute qualité, résistant, robuste et simple d'utilisation. Choisissez Westpool gamme complète Magic sourire bi amna ci marché Sénégal yépp Apton gamme lait de corps à crème hydratante ngir gi Apton yëg ak Melokan Oh Royal buuru ndox retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com achetez en ligne nous livrons partout dans le monde Canen les petites mains habiles Yes Hotel, Dakar Almadi Radio Léral 96.1 encore plus proche de l'info Avec Radio Léral, le poiler. Bravia Hôtel Ouagadougou vous aimerez déposer vos valises chez nous téléphone 00 226 25 32 97 97. Rendez-vous sur comtrip.sn réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Commandez en ligne sur www.6.9.sn. 6.9, la marque de l'élégance. Si j'étais un tableau, je serais peint par Mondougay. Mondougay, artiste peintre. Riam Art. Karma remercie ses partenaires. Complexe Sofia. Nebedai. Milesi. Aya Couture. Nabo Création. Bomba Design. Fashion Style. Versailles, Canic Moselle, Napilox, Adel Dressing, Ibuturi Collection, Tidias, Chic by Jaria, Rita Hair, Ruby Watches M60, Héritage Couture, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Profitez d'une remise de 10%. maa defoon mujjee rëccu topp yoonu caay caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru yee lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene negle. la borom ma cay Torni. Kacau. Shh, cok nih. Jangan. Shh. Sama drum. Ah, tanah. Mana tanah? Mana sih sungguh sungguh itu dos ya? Gemeliala. Cepat, cepat, ini sikit. Ah, tanah. Dalam, kamu udah Mon frère, il souffre, papa. Il est dans un état critique. Chérif, comment dire Gourou, mon Dieu, Papa, il est dans un état très critique. Je sais, Santiago. Oui. Yo, papa. Police. Alors, loo à cette heure-là euh, man ak Majib dañoo de santé, mais il est injoignable puis euh, fa côté de continuer fait que Anita dans tous ses états papa Dame am lu Anita Anita je vais la gérer d'accord je sais comment la gérer Hmm. tu sais comment la gérer, comme d'habitude, mais aujourd'hui tu es là, tu es tout seul, en train de méditer. Dame encore. Boris, es jeune. Ne te laisse pas perturber par les problèmes de ton papa. Ok, je suis jeune, je sais. Mais papa, vous fàtte ni que nii loolu moo tax Tu suis a ça Boris j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse ah tu parles de Djibo c'est ça Djibo tu sais Boris bi que takk sa il était clair que dina jël une autre femme parce que ta maman ma moom toogoon nañ ba wax ci et puis sa yaay xam na loolu parce que ci famille polygame la jógee ci famille polygame mais ce qu'on n'avait pas prévu mooy que la personne en question nit la koo xam ne Jeanne mo koy ubbil ay loxom yaatal ko ci kër gi mais n'oublie pas que sama famille ñu woon ma takk sa yaay donc jibo mo doon son soutien ci kër gi man ma nekk jibo en catimini ñuy nekk ba mu ëmb waaye Après, sama yaay puis elle t'a suivi puis s'il eu l'accident accident bi puis euh, puis tu as décidé de garder ça secret. Oui, il le fallait à cette époque mais les loo ne pour protéger les niens. sauf que de l'autre côté il y avait deux personnes. Jibo et Amilea que j'avais abandonné. Amilea, ma propre fille, je l'ai livrée à un prédateur sexuel. L'âme Ami Comme tout le monde, c'est mes responsabilités... Benen mon mon j'ai une responsabilité pour suturaal Djibo ba takk ko mu sama chauffeur ba Badou mais ndekete Badou c'était un grand pédophile un animal et je n'étais pas là pour protéger ma fille Amilea. je suis vraiment un mauvais père. Papa, je suis désolé, mais là, je t'arrête tout de suite. Papa, ne redis jamais ça. Faut remonter les mains Je ne suis d'accord avec toi. mais papa il y a que li papa les lu doomu soxla woon lépp lu pap waroon defaral doomam papa def nga ko pour ñun musuñu manqué dara musuñu ñee suñu benn morom du lekk du naan du dara dëkk si kër bu baax du école papa du dara pa lépp lu ma doon tey ji papa c'est grâce à toi papa yow ak sama yaay enfance bu ñu am ñun gëmuma ni mun na am keneen ku mu jox enfance bu ko gën je suis mieux placé pour le dire, papa. Papa, tu la faim pour nous, tu la niaque pour nous, papa. Je ne sais pas mais je ne suis pas fenn. Il faut douter de toi. Jamais. Papa, reste sur toi. D'accord, Il y a li fi ko ta xew erreur mais alors mais papa tu es. te pas mais l'importance c'est que tu as su reconnaître tes erreurs admettre tes torts loolu ça prouve que tu es un grand homme Moi, je t'admire beaucoup te es Amélia je ni mal signé te maa tamponner. tamponné ce lu mu dans la famille je vais m'assurer personnellement que ami ñëw ci famille bi comme lu mu waree na xoolal bu dul dara traite la te yaa ko jur ñun on va tout faire pour t'aider à réparer tes erreurs comme une famille comme lu ko sama yaay doon bëggee papa hein? merci est dans un état critique. Là, il a perdu beaucoup de sang. Et en plus, euh, groupe sanguin dafa xaw rare. raar au négatif Là. mais ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey boobu. wax ma docteur. ah docteur attendez attendez attendez je suis au négatif. xoolal hein? mën nga ko xool mais. waaw xoolal mais. Alhamdulillah. rabbil alamin léegi ce qu'on va faire dañuy ah. dem ma ànd ak moom ñu dafay analyse ah. dinañ ci def li ñu mën dinañ ci def li ñu mën dëgg nañ ko mais li ma leen di ñaan rek mooy ah. comme daf fi nekk ay nawleem te dañu feebar tout à fait ngeen wàññi bruit bi d'accord s'il vous plaît d'accord d'accord docteur am nañ ci yaakaar incha allah incha allah bu jaaxle docteur dénk naa la ko incha allah ñu ngi ci eh, c'est docteur comment Guèye docteur Guèye bul bul bul jaaxle jaaxle incha allah yow defal ñaan rek. incha allah bàyyi ci loxo yàlla ok. Mm-hmm. c'est bon mën nañu dem s'il vous plaît. léegi bàyyi maa allah Abdoul Majib sama fils cadet. docteur dénk naa la ko. mon un miracle Nous sommes là au négatif lan la gisee macha c'est rare maintenant mais j'espère que vous n'êtes pas enceinte. Hein? Non c'est sûr. Ouais. D'accord, c'est bon. Mais rassure-toi, hein, Michel, tout va bien se passer, hein, rassure-toi. que c'est toi. Malika, j'espère que ne... Oui, c'est moi, c'est moi qui l'ai fait, maman Mais c'est ce que je voulais... Je faisais pas parce que c'est Amélia que je voulais écraser, c'est pas lui. Pourquoi elle s'est déposée Pourquoi elle a voulu la sauver C'est pas ce que je voulais... Mais Malika, yow wér nga. Naka ngay jëlee oto de foncer ci kaw nit. Tu veux jouer la choquer? Tu veux que je te rappelle que tu as fait pire que moi Tu as une femme qui t'a en train de ton fils, tu vas pas lui jamais te lever la main sur moi. C'est pas ce que tu voulais. Malika, prends tes responsabilités. C'est ce que je fais, À quoi tu pensais Si Si Ton fils, mon mari, à l'hôpital par notre faute. Par ta faute. Tu devrais t'en réjouir. C'est pas ce que tu voulais Amelia va sauver la vie de ton fils au dépens de notre vie. Elle va lui donner du sang. Elle est enceinte. Avec un peu de chance, elle va perdre le bébé. sul guddi metti la waaye nak dañuy sante yalla sunu borom bu baax ndax mënu nako dalé fenen dalé ko né ak kenen waaye nak alhamdullilah bim ko dalé fi te fekk mu ànd ak amilia mi nga xamni moko wara ko moko wara taxaw kon nak jambi day toujours ci sunu borom amit jaxal nga ma lol bima adina bedde wan ma gannaaw xali bu góor bima fekkon ci buntu gendarmerie bi talal ma loxo mo tok ni sama wet bima ma ci bërëb bi gëna metti ci sama dund muy kaso amet yaa ma fa fekk tàllal ma loxo nit ki nga xam ne moom laa gën a jépp ci àddina tey moo taxaw sauvé ki ma gën a bëgg ci àddina te moo ne de amet am fexe loon naa ko. loolu wax ni Ahmed bésu dee kenn du ci dund. Ana man maa ko rey. Ah? donte sax jubluma ci woon loolu li ma bëggoon rek mooy ëmb bi yàqu yàlla def. mu dee luñ ma jiiñoon ci tribunal bi lépp luñ ma tuumaal sosal luñ ma dara lépp man la maa def lépp sama doom a ngi ne ci diggante dund ak dee amet bëggatuma dara ci àddina amit baal ma ak soxna si lii nga may wax bu dee yaa ko def du man mi nga war a baalu waaye xam nga ki nga war a baalu te nga war a def du man mi maa la ko war nga war def xam nga ko te yow mi monte alia bi gis ben way mu teub mir djegi dug ci ben bâtiment après bimu duggee ci bâtiment ma ñew fekk mu yor pel di gas xaw ma lu muy gas nak mu ñewé dafa sànni pel bi daw té bimu mu après ma ñew xol fimu don gas nonu fekk fa ben néew après cela ñew nak ma woo leen. ok léw légui boko ko gisee di nga mëna xamé si bimu ma nak xamé naa bu baax parce que mom dang koy gis muy feeñ télé ñu ne waajur moo dee jabaram. ok merci dinañ la soxla pour ñew police def sa déposition. d'accord jërëjëf. Ok, merci. Il va falloir qu'on attende ici de pied ferme la police scientifique. parce que si de gens lu ñu l'agneau, bi passé dalaat ñu ñu Nous wax ou pas. d'après les ma les photos donnent circuler pour passé et j'ai l'impression que c'est les mêmes habits donc il y a de fortes chances que ça soit virginie. ok d'accord en tout cas loolu c'est urgent ok mais le plus urgent moi, qu'on se procure un mandat

abu ah, lii di solution demal police nga wax leen li nga def. léegi yaay man lan laa def bay dem police di dénoncer sama bopp a chaque fois yéen a ngi koy wax lan laa def yaay est-ce que mën nga dem bàyyi ma sama nekk ma toog. abu ah maay sa yaay man maa la jur xam naa la bu baax loo def xam naa ko looy bëgg a def xam naa ko mais lii nga bëgg a def nii mën ngaa daw police mais mënoo daw yàlla demal def li ma la wax. boo ko deful ngir kenn def ko ngir sa bopp ah problème bi kenn du la ci seetaan man maa ngi fi sa papa ngi fi duñ la seetaan dañu ne avocat yi gën a mag ñu taxawu la ba lépp dellusiwaat ci jàmm abu ma xam naa sama doom dama laa yërëm lekkatoo naanatoo nelawatoo nurootoo sa abu léegi beneen nit nga man xam naa dangaa juum rek mais di sojiko ah c'est vrai naa loolu. ma jur xam mu baax jox am yërmande ah demal def li ma la wax ngir man sa yaay oo ma kenn yow rek ma keneen soo demee bàyyi ma kan laay deseel damay wéet. d'accord dinaa ko def. dama sa nekk. <laughs> di nga def li ma la wax ngir mën. naa ko def dama sa nekk.

de toute façon ku ne ku pas ku ñuy jàppale fait ah là là alors. Écoute, on va faire exactement comme on l'a dit, ok Rien ne change. On y va à ton rythme. Si jamais tu as envie de parler, tu parles autant de temps que tu veux. Si tu as envie de t'arrêter, on s'arrête. D'accord Hey, écoute ma chérie bul ragal dara bul am looy tiit noonee sa jëkkër mu ngi bul tit, on sera toujours là pour toi nañ la jàppale taxawu la t'inquiète surtout pas

mais bàcc ma sàmm yow la ngay def fii. Fall dafa doon wax ne mais tey laa soog a xam ne nga dégg de. kon wuli yow yaa ma jaay yow samay business sot sama xaalis kon lépp yow la wuli. mais du ma ci biir. yow la wuli. bul fàtte say say ma noonu. xam nga yow da nga yaakaar bëgg lu da nga yaakaar ni ki dafay liggéey xaalis ay ati at benn dof mel yow bëgg kaa rek fay si benn dafa yomb torop xaalis dafa la mais xaalis moo la fi bàyyi tey. نعرف بان افير هم قلت بان ما نعدى بوليس خمنا انا وياه شو اللي ليه بجيني في دوف بوزي ماج يوسف دلاخار باتي ما سامبا man maay kii bougé fii yow waxoo dëgg yaram doo fi jugee damay bougé fii yoon baa ngi noonu yow mënoo si man naada doo lenn te bi sax xam la xam laa leen bëgg xamal abu bàyyi booy dem toog Mais calme-toi, calme-toi. Mais, mais calme-toi, ça ne résout absolument rien. capable. Pour pour pour me ko du dara ci man. Oui, moi. Recule. moi, côté. Hé. reste là. moi. vas-y. Hadi eh. S'il vous plaît. toi calme-toi. Vas-y.

Il est plus là. Ah Bravo Yow sama bopp moom fi indi mais Virginie waxam moo tax ma ñëw fii Virginie nekk na doom si ñenn nekk na sœur nest ñenn nekk na sa xarit si c'est une inspiration si man parce que elle s'est battue ba fin bi pour lu mu gënoon bëgg ci àddunaam muy doomam malheureusement il était en face d'un monstre Abou mon rêve Virginie ay at ci ginnaaw tamit Abou Kébé moo ma dóor ba ma mujj hôpital dans le coma système bi moo koy protégé suñu système bi mon tax Abou Kebbe, du ko neex mun na def c'est un tueur j'ai tous les enregistrements bés Maywo, Sikaram, pour ma ñëw ci Virginie moom fa jiitu moo tax instant bi waxam si c'était pas elle je fu mu tëdd instant bi Ou peut-être yow wala yo mon na nekk ku on espère que police de def Ligue. innaka takaw bil wa'd li lay jéppi jéppi yak sa nday xam ne da danga bëgg sama doom te man Abdou Majib mii moom rek laa bëgg ci sama àddina xam naa ne nag mbëggeel gi lu wér la dëgg la ci yow ndax danga risquer sa vie pour sauver ko moom te nag mënoon na la ci bañ fekk mbëggeel gi nga ko bëgg man xawma ci dara yow sax merci bëgg nga Abdou Majib au point de perdre son bébé pour sauver ko ki nga jàkkaarloo tit ci adina di ak mom dotul ay dëkk bi mais mbër ngay jàkkaarlool ngand man suma joge dina def lima wara def yawit defal li nga wara def so beugé Abdou majid mi ak ana Eva sa da nga len di jégué xam nga fi may waxe xam naa ne macha allah tu es intelligente dofuloo ma leeralal la wax ji dama ne la soo bëggee Abdou ak Anna Eva sa doom danga leen di jege nekk ak ñoom uufal sa njaboot ami bul bàyyi keneen di ko def à ta naa la sama doom sama xol sama àddina dénk naa la Abdou Majid au revoir mon bébé non mais non Malika elle est allée trop loin cette fois-ci. Comment elle est allée trop loin ou pas mais j'appelle mon frère est entre la vie et la mort Mais tu dund ak tu devrais t'en réjouir c'est pas ce que tu voulais. Amilia va sauver la vie de ton fils au dépens d'une autre vie. Elle va lui donner du sang elle est enceinte. Avec un peu de chance, elle va perdre le bébé. Comment quoi dénoncer police. Chérif dénoncer Chérif xalaat pas bu li nga wax tey boo dénoncer Malika fu mu soit mu dugg asile wala mu dem prison. sama yone nek aussi. tu es en train de défendre ta sœur moi aussi je fais pareil. parce que sama rak mi ngi ci diggante dund ak dee. à tout moment mën naa yaakaar ni mën nañ ma woo ma sa calme-toi je te comprends tout à fait mais laisse-moi gérer la situation xalaat nga bu baax lu mën a impacter suñu relation ma ak yow je te le demande s'il te plaît laisse-moi gérer ça ça ne se répétera plus. Calme-toi, s'il te plaît. Je te promets de gérer ça. Tu as ma parole. La L'addition, s'il vous plaît. Avec plaisir. Ça vous fera 8000, s'il vous plaît. Monsieur mais c'est Excusez-moi, je peux payer par Wave Oui, bien sûr. Merci. Merci. Voilà, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. À bientôt. Bonjour, madame. Bienvenue bien. à CCBM. E bien, merci. Bien. Je peux vous aider Oui, je un téléviseur là pour moi. Euh, le single Harmonium. Ah, D'accord. <laughs> Papa Oui. Tu te souviens de la société dont je te parlais Bien sûr. Voilà, Nous la une fille pour nga tànn si télé yi bu la vous Hein? maa koy offrir nga changé bi nekk kër ga. Ma oh, chérie, c'est vraiment gentil et je t'en remercie sincèrement, mais j'en ai pas besoin. Je me retrouve très bien avec ma vieille télévision. Je me suis habitué. Papa, <laughs> Donc télé ça la nouvelle technologie elle est compliquée. non non non non. la simple madame madame. je suis suis mu fii toute c'est utiliser monsieur. venez je vais vous montrer. venez avec moi. on va voir. là vous avez la nouvelle gamme de Westpool. c'est une gamme allant de 32 à 75 pouces télé yu leer ngay am fii ay téléviseur LED la mhm. téléviseur bi leer na utilisé. Mhm. na utiliser mhm. fii dara jafewu fi la télécommande elle est intelligente da ngay toques sa chaise pliante ne ko fayal mu fay tàkkal mu tàkk ah te di ci def c'est pas du tout difficile donc boo amee ce wifi li yëpp koy utiliser application yëpp mi ngi fi Netflix bi yëpp mi ngi fi si biir c'est comme si vous avez une exhibit, tellement que c'est clair et c'est n'est pas du tout cher aussi. Oh, ah, ah. vous êtes assez sévère. Waouh, je vois que vous êtes en train de me convaincre pour me faire changer d'avis. bien sûr il le faut. j'adore j'aime bien celle-là. venez je vais vous montrer d'autres. il y en a d'autres. donc j'ai l'embrasure. effectivement. <laughs> Pardon, je suis désolée. que vous normal aveugle bout d'or sans canne voilà chien guide. attends mais y a pas de je suis désolée je ma ko en plus tu me traites d'aveugle on se connaît. Nous dis comme explication parce que sinon je ne vois pas comment tu peux être incapable de mettre un pas devant l'autre convenablement beneen quand tu marches regarde où tu mets tes pattes. désolée Pierre là, la ne parce que voir une serpillère, et c'est être aveugle mais tu sais ce qu'on dit qui s'y frotte s'y pique. Et fais gaffe. Je n'ai pas peur de me frotter aux gens comme toi qui se mettent en travers de mon chemin. lerne na. de ne jamais jamais me trouver en travers de ton chemin léegi si ça te tente tant que ça te frotter à moi fais-toi plaisir. On est trop Qu'est-ce qui se passe? Papa Dara..! Bonjour. En fait, euh, je cherchais de l'électronique pour mon nouvel appartement, mais de me complètement. Heureusement qu'elle était là pour m'aider. Un ah ange. Merci encore. En tout cas, pour moi, je suis là pour amna Et Qu'est-ce que c'est ça J'ai fait mon choix. Votre série revient après la pub. Non, non, ça m'est Toute la famille veut du Mélolac. Mélolac est un produit fabriqué par Food Sénégal. CCBM, industrie automobile, distributeur des marques Volkswagen, Aval, Credwell, Chery, Laval et Sinotruck. Un service après-vente de qualité avec un dépannage mobile 7 jours sur 7. Un matériel électroménager de haute qualité, résistant, robuste et simple d'utilisation. Choisissez Westpool. Santex, votre première défense contre les germes et la sécheresse de la peau. Scanner, c'est payé. Wave Saralis Yaiborom. Master Office Déco, absolument tout pour votre bureau et maison. arôme épicé resto sauce soja resto Moui bégé du Commandez en ligne sur www.6.9.sn. 6.9, la marque de l'élégance. Héritage Couture, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Profitez d'une remise de 10%. Yo, yo, yo,

Je connais Majib, je connais Lamine. Pas New York, non, euh, beaucoup. Majib, c'est mon gars, là. Beaucoup. Marie, c'est ma copine. Je la gagne, c'est mon chaud. Elle est jolie, elle est gentille. Il copine nga fi am te yoo xam ne xaw que tu aurais pu épouser elle est belle d'accord. mais toutes les sénégalaises sont belles est ce que mën nga leen mieux? elle est gentille Mais tu mais beau boo gënoon sama bureau chez les voisins boo demoon fekk fa des filles très gentilles pourquoi tu veux épouser des maris. Ah, papa, il y a même beaucoup de maris. Pourquoi tu poses des questions Boris, c'est moi qui pose les questions. Pourquoi des maris Mais papa, c'est donc bug. Parce que je veux passer tout le restant de mes jours à ses côtés. Parce que Ramna ni que je peux la rendre heureuse. Et que moi, je la choisir pour fonder famille. et que je ni que je comme lu vous a mën a tu viens de me donner cinq bonnes raisons pour que tu aies a mën a épouser Ndeye Marie mais pas les seules mais pas les moindres Tu as ma lay tu rek nga daw fii yëpp mais yow da nga da nga nopp Ndeye Marie je ah? Pape Bilaye mënoo imaginer sax à quel point.

Sérieusement Non, da Et je suis trop contente pour toi. Franchement, Boris moom nit ku baax la amul ben problème. Même si bu nekkee man ak moom amuñu yenn affinité yéné. Boris en fait, man je sais qu'il peut me rendre heureuse. xam naa il a tellement été patient nit ku la il est adorable Mon am ku ko gën. depuis lors maa ngi gëm si mais xam c'est lui qu'il me faut en fait c'est un bon parti. Franchement, il est tellement patient, barre. Avec tout ce qui s'est passé, quoi, Boris Moussou change. Mais Marie.. est-ce que tu l'aimes Pourquoi tu me demandes ça Toi, je te parle de mariage, ami. Oui, je sais, mais depuis tout à l'heure, il peut, il peut en aller que voir. Est-ce que tu l'aimes ah, Ami, je, je l'aime. T'es sûre nit ku baax la moy li ma la woo jëkkër ju baax nekkul naxee loolu sa boobu. Djibo. man dégg yaay <laughs> yaay ko dégg. arrête de forcer. <laughs> ma chérie ça va chérie. Mhm. tu vas bien ça va. oui ça va. c'est qui lui. c'est ton petit frère. sérieusement assise. ça va tu vas bien. ça et toi ça va. Ça va Tiens, c'est pour toi. Ah, merci beaucoup. T'étais pas obligée, tu sais. Non, mais c'est normal pour la première fois que je vois ma soeur. Ah, merci beaucoup. C'est gentil mais j'aime bien ton style c'est beau. si non mais bi ma ah non mais est mort attends qui c'est clairement ma soeur. qui est foloo leen ah c'est vrai que vous vous ressemblez. ah ouais en plus y a nuru mais attends xaaral encore ko wax que là ay looks laa Bon, je te présente mon ami Naïmari. Naïmari, c'est mon frère Aziz. Mais tu peux l'appeler Ziggy. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien mhm. Ah, voilà chez moi. Ah oui Ah oui. Qu'est-ce que tu c'est un peu. oui, Boris. On a un point commun, faut que le mariage Bah oui. <laughs> Mais ceux des que bah, c'est pas grave. Ouais. Ah, <laughs> hey, arrête d'insister. Voilà, ça me parle pas de voir. C'est lui qui sait, je te raconterai. Mouna Moussa Kawana, bon, le téléphone, mais arrête! هو بعض من ما يكر بس مو في جينا ناله هو مصطفى اوكي؟ ni nga def nii mooy lan looy yot ni mel ni muus muus la su may dox doo ma dégg su ma lay rëbb doo ma yëg fi ma lay jàppee da lay bett. du sa proie du ma proie wu sa morom voilà. aywa. Aziz enchanté mais tu peux m'appeler Ziggy. on s'est présenté si biir doy voilà. je sais qu'on est parti sur de mauvaises bases mais te sais ce li nga nekkee mais Ami c'est ma sœur ça veut dire que man et moi on est appelé à se voir très souvent. Autant remettre les compteurs à zéro. Hey, Sage décision. C'est une chance de m'avoir dans sa vie. <laughs> Écoute, euh, Shérif, je vais aller droit au but. Sophia m'a tout expliqué. Et je suis vraiment peiné par cette situation. Tu ne sais même pas à quel point. J'ai même pas de mots pour expliquer ce que ma fille a fait. C'est très grave. Je ne sais même pas quoi dire et quoi faire mais je pense que vraiment, la dénoncer n'est pas la bonne solution. Malika n'était pas comme ça. C'était un bon enfant de d'Essan. Très gentil, très aimable, prêt à aider, toujours là pour les autres. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est les, les événements de la vie les, traumatismes qui l'ont rendu comme ça, j'imagine. Et c'est pas encore, ça l'excuse pas, ça n'excuse pas l'action qu'elle a faite, mais vraiment, je pense qu'elle mérite une autre chance. J'ai beaucoup de considération pour toi et ta famille, pour Magib et, pour tes parents. Vous êtes des personnes bien. Et euh, s'il te plaît, je t'en prie, Donne une chance à ma fille. Rien que par les, pour les rapports que tu as avec Sofia, euh, Sophia, sa sœur, et par le respect qu'on a entre nous. Je t'en supplie. Papa, Degnal, avec tout le respect que je vous dois, elle a failli tuer mon frère qui est entre la vie et la mort actuellement genre Malika yi seen place nekkul ci société bi man yaakaar naa ñu denc leen sax mooy li leen di gënal ñoom j'ai rien contre elle te yéenewuma ko aussi yéenewuma ko kenn mais son acte doit être puni papa nga baal ma mais Malika dama koy dénoncer ma ko baal. ok shérif je comprends ta décision et. Euh, peut-être que je ferai la même chose à ta place. Mais euh, est-ce que tu sais que, en la dénonçant, ton neveu va naître en prison Oui. Malika est enceinte de magie. Si tu la dénonces, ton enfant, ton sang va naître en prison. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça C'est difficile. Et cet enfant pourrait être un changement. Ce serait peut-être euh, l'opportunité pour elle de changer. Chérif, comme tu vois, j'ai dû en parler à mon papa. Je me suis dit que certainement il allait te ramener à la raison. Nous le s'il te plaît, chérif. Boule top sorol. C'est un chakhalé au moins. On te le demande vraiment, chéri. Amelia, qu'est-ce que tu fous ici Qu'est-ce que tu veux encore, Malika T'es quand même culottée, toi. Je te signale que mon mari est hospitalisé ici. C'est plutôt à moi de te demander l'âme du FUDEF. qui que ce soit, ok Demain, magie parce que de fait, C'est juste une visite amicale. Visite amicale. Mon cul ami. Il n'y a aucune visite amicale qui tienne qu'un séjour de magie et toi. Écoute, maintenant la là. Et c'est entre adultes, hein. tu me connais pas, je ne te connais pas. Si tu traînes avec Joker ou Jambo Boumou hôpital, si tu au moins un peu de vergogne, il faut lui la paix. Oh là, bon que c'est tout aussi mal ça, au moins que cette si dormant. Oh, tu savais pas. Je suis enceinte de magie Et et je pense que tu sais ce que ça fait que de grandir sans père. Donc, s'il te plaît, beaucoup Bayam. D'accord Tu vas me faire le plaisir maintenant de dégager d'ici, Ami. <laughs> Malika, les me la la fois passée la les répété waatal Abdou Majib ma ko billahi Chérie, ne m'a pas épousée par défaut. Je ne suis pas un choix par défaut. Si, tu as été un choix par défaut, chérie. Non, tu te trompes. La preuve, je porte son enfant. Et puis, Ramalala, voir des moins comment c'est barré. Dégage d'ici, Amelia. Je ne me répéterai pas. Là, tu me mets au défi. Prends-le comme tu veux. Je ne fais que te dire la vérité, chérie. Ok. Mais j'ai pas de J'ai peur. Prends maaleykum salaam. yaa ngi naan bien merci. xam naa ni xamuloo ma. waaye man benn xarit laa si Marie ñoom Ami ñoom. bàcc ma Samba. xam naa la bu baax. dégg naa tamit say jaloore dégg naa li nga jàppale xale jigéen ñi ci kaawu Sali nga ma mais man dama gis ni. ñi saafonte toog di waxtaan ak seen moroom seen xarit di kaf di ree la ma tax nga taxaw fi isolé wu sama xol neexul dama divorcé ba noppi kenn umpalewu na dama ñàkk sama rak doon a neex trop moment yu mel nii mu fekk kaf mais bon yàlla baax na xam nga ndogal yàlla kenn mun ci dara Alors Ça fait mal Non, ça gratte juste un peu. Hmm. Donc, est-ce que tu as Tu sais très bien que non. C'est juste que. Comment le en fait Ça me fait bizarre d'être là. T'inquiète pas, pour Prends le Elle est déjà passée à autre chose. Je ne pas je suis un tout le monde a le droit d'être heureux. Même toi, Magie. Moi, mon bonheur, il est inaccessible. Ah ouais Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui te rendrait heureux Toi, Que man defee naa à ce point. <laughs> Mais toi, dis-moi, qu'est-ce qui ferait ton bonheur Anna Eva. Et toi Mais je ne pense pas que tout ça soit inaccessible. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche Le mariage. D'accord. Alors, toi, Amélie si tu me ferais l'honneur d'être ma deuxième femme, toi.

qui est le soleil. Ah ça par contre, c'est toi l'eau. C'est à toi de le rendre solennelle. Avec temps booy footballer, meilleur footballeur meilleur ordinateur. Merci, l'époque. Nous, nous y a yaakaar ne époque tout était meilleur quoi Nous on a réew mais blague à part tu es ravissante. merci je te retourne le compliment. merci à toi aussi.

Et de lui me dire, il reste juste quelques jours mais sache que si tu comptes partir malgré tout a ben problème moi je te retiendrai pas mais sache une chose je compte pas rester au Sénégal vivre une vie sans toi mon sens ci Les effets, je compte partir au Canada. Maintenant, je vais rester là-bas un long moment. Et probablement, je vais partir bien avant qu'il débute d'hier. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. D'accord. Je respecte ta décision. C'est sans rancune. <laughs> sans rancune. Alors, excusez-moi. Je vous présente Moussa à Versailles. Ouais. Moi, se tenu, tenu, vous sommes Nathalie. Ça va Ça va Tu vas bien Super mal. Fais ça, Ah, mais vous avez une très belle dame, machin. Vous avez une très belle dame, Félicitations. <laughs> Merci beaucoup. Ouais, fais comme chez vous, vous êtes les bienvenus. tu vas le faire souffrir. Hé, hey, toi, toi le Ziggy là, s'il te plaît, hein? s'est invité. Je n'ai pas envie de parler, mon torfi J'ai envie de prendre de l'air et tu me bouffes l'air. Move. Je pensais que j'étais une bouffée d'air frais. J'ai juste un petit truc à te dire. Déglouma, s'il te plaît. You do dig. S'il te plaît. Et il ne m'énerve pas, hein, s'il te plaît. Un petit truc. Lal. écoute Je ba mais les mais il y a un truc euh, mounard, ba j'ai essayé de ne pas le dire mais ça me travaille depuis 5 que je ne comprends pas pourquoi tu te maries avec Boris que tu n'aimes pas parce qu'il ça se voit que tu ne l'aimes pas en fait, moi, Sénégal, il y a un truc que je comprends pas. C'est que vous aimez bien faire des choses, juste parce que voilà, la société, etc. Regarde-toi. Tu es magnifique, vraiment. Machallah. je pourrais avoir n'importe qui. Mais tu choisis quoi Boris. Non, pile Yo, su ma amu woon may set nokku naa la ci biti bu yag santal yàlla bi ma sa yaay ami di sama xarit mais y a Wane, ya y a une bonne façon invité a yamal sa place tu parles de mon mariage pourquoi on se connaît tu connais mon mari justement justement je discutais avec lui j'adore vraiment un gars extraordinaire un sucre il est gentil serviable boy cool à vomir mais c'est pas ton genre en fait où je pense ton genre, c'est les bad boys. Ah bon On va faire un petit récapitulatif. Euh, D'abord, Majib. Majib def il a trahi, avec son meilleur Il s'est marié avec une autre femme, un bolco quand même. Bon. Euh, qui d'autre Charles. Charles, il est où <laughs> En prison. Le schéma, il est clair, hein mais euh, nous, pas les bons. je pense que Lina là c'est un gars beau ramené. On que nous mousse. Un Olay Chai Chai, xam il te tient tête, Fais palpiter ton cœur. comme Ah, j'avoue, c'est pas, c'est pas, facile à trouver. Euh. Ah, mais je suis là, moi. Moi. <laughs> ouais, ouais, moi. T'inquiète pas pour l'âge, hein. Je connais, je sais y faire. Quoi yow fer nga an va la retrouver yow lay seet mais mon mon phone. fon yow doo mon mun fen yow nar fay bon moi je vais partir apparemment vous avez des choses à on aura une discussion Maguio j'ai peur Des Marie Tonton Bachir man je ok ma le jour de ton mariage avec mon fils. raison de plus man Boris tu restes là tu sais à quel point Boris tient à toi. tonton Bachir je l'aime aussi. sa propre mère t'a validé avant de mourir. c'est pas écoute il s'est rien passé. D'accord Il s'est absolument rien passé. D'accord C'est un petit bisou de rien du tout avec ce salopard. Je vais le gérer. Tu vas rendre mon fils heureux. C'est ça qui est important. D'accord Faut pas qu'il souffre. Faut rien lui dire. Tu retournes à ta fête. Tu fais comme si de rien n'était. D'accord Il s'est passé rien du tout. Pour le petit Zeki, t'inquiète pas, je vais le gérer. Euh, vas-y. je suis sincèrement désolée. je je pensais pas que y quelqu'un et je... J'en ai profité vu qu'il n'y avait personne pour travailler. Je suis vraiment ah, désolée, je sais même pas. T'inquiète, de toute façon, on mon taf Ce bureau, c'est mon bureau. Les bernes. Qu'est-ce que tu fais au bureau dimanche Ouais, je, je terminais certains, certains papiers que j'avais pas terminés euh, cette semaine. Mais Mouna, il y a quelque chose qui te tracasse T'as est mon dernier jour. Ah. Grosse décision. Ouais. Je suppose que Bisogo l'a mine. Non. Il part. Comment ça La mine. La mine s'en va au Canada. Et ça, c'est pour. Je crois bien que c'est pour toujours. Kader, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que je vais devenir sans l'ami J'ai toujours vécu avec lui, j'ai tout partagé avec lui. Je peux être franc avec toi Oui. Tu resteras toujours cette même personne. Tu seras toujours cette personne qui se bat pour ses projets, cette personne ambitieuse, cette personne qui ay conteneur góor ñoo ngi fi taxaw di xaar am seen chance pour ñu prouver que seen amour et tu sais Maïmouna mosuma woon xalaat ne lii dina mos a génn ci man moi je t'ai aimé depuis le premier jour bi ma la gisee si mais sama yar sama teggin en fait moo ma mayul woon pour ma mun a aventurer wu ci terrain boobu en plus tu étais

Je ne je m'y attendais pas du tout. ah mais désolé si je t'ai vexé. tranquille je te remercie déjà pour le respect. c'est toi qui force en fait le respect. mais je ne pourrai jamais aimer un autre homme comme j'ai aimé l'ami Et même raw Kader je suis enceinte je porte son enfant et c'est la chose la plus magnifique aujourd'hui qui m'arrive et sans lui qu'est-ce que tu fais là Va retrouver ton homme et sauver votre mariage. Pourquoi tu hésites Va retrouver ton homme. الناس في ثيابه لوين يرتقي c'est l'espoir que toi et moi on se retrouve. Mais la machine n'a pas opéré. Dieu en a décidé autrement. Il débite la Je moi te dire une chose, Marie. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Tu es la femme de ma vie. Non. ça ne peut pas se terminer comme ça. Il y aura toujours quelque chose qui nous lira à vie. balma bul jël sa yoonu bopp baby xaar ma kaay nga jox ma loxo gestu waat ma lii baal teg ma si sa digg loxo xaar ma nam naa oh please baal ma

Non, c'est rien. C'est juste que on mon cogiter. Et maintenant que j'y pense, je me dis que ah a faute de shérif. T'imagines, il y a quelques temps cela, j'étais dans un lit d'hôpital. Je suis dit que marié Je marie avec la femme que j'aime. Et tu vas me dire que c'est dingue. Mais, nest que dal des fois j'ai envie de le remercier parce que dans un sens libre mon motard si Ami et moi on s'est rapprochés et qu'aujourd'hui on a fini par se marier c'est ganga hein. ouais c'est vrai que ay mbiru yàlla kenn mais bon en parlant de ça tu te rappelles pas de la personne dafa a wala dafa xees ban genre auto la yoroon dara non, mec. Honnêtement, non, pas du tout. De toute façon, j'ai pas envie d'y penser. Je me marie, mec. Moi, je le sens. Ouais. Et reménage, pour Yeah, parfaitement. Mais bon, Malika, elle est trop dangereuse. même si ce soir, et je lui dois du respect. écoute tu as peut-être raison. T'as peut-être raison. Mais je pense que Tamit Adnabifi, chaque personne a droit à une seconde chance. Tu penses pas Ouais, c'est vrai. Alors, reménage mon frère, encore. Un tac ñaarel quoi. Du baïf sa baïf sa grand tac ñaarel. Wala ñak fay. <laughs> Waaw seigne Bachir. Comme nous nga ko xamé rek ndax suñu colère du tay. Lañu bolé yag depuis ndaw la. te kóllëre gu yàgg moom dëgg la ba sunu borom defee nak sunu njabot xamante te war a ànd dinaa bëgg lool tey ji ba ñëw ci sa bir kër ñëw pour vraiment li nga xamé mo moo ci digënté xalé yi ma dox ko dëggal ko ñu teg ko ci farata mo tax tay ji ma sama tank pour ñaan ci sa doom ñaanal ko sama doom Abdoul Majib Kébé waaw mbégte boobu daal laa am farata boobu laa dox ci sama diggante ak yow. Euh, jërëjëf Ahmed ci ñëw bi tey nag bésu mbégte la ci man ndax bés bii la bàyyi doon xaar pour doomam ñu ñaan si te ñi ma xam Sénégal yëpp xam nañ ne sa doom ji Abdoul Majib dama ko yàgg yéene sama doom ji Amileya donc euh, di la ñaanal sëy bu barke. am farata ñaan xaar fekk ma ci lëndëm niital ma sama xol wéetu naa da nga ñëw ma xam sa bett na ma xamoo woon ni dina am fi mais bon faut croire qu'il tient ça de sa mère. xam nga lu lay Abdou Majib le tout lu ko dal gis nga fii ma nek ni tay? du ma teree def li ma def. Aïta, aïta, aïta. tey jii nii boo ma laalee nga laal su doom xam j'ai appliqué tous tes conseils à la lettre. Aujourd'hui, il n'y a pas une fille, mais deux vies qui me lient à ton fils. Je suis scène de jumeaux. Et concernant Ami, ne t'en fais pas. Elle va partir aussi vite qu'elle est arrivée. Malika, tal toppatoo sa sais pas. de que tu as gagné en sagesse en prison mais moi c'est pas mon cas je ne suis pas en prison au revoir Aïda Kébé est vraiment, un son de cette fille je compte absolument sur toi pour me surveiller ma ko bëgguma mu def dara de parce que qui qui dafa dofle Qui, qui a un problème tu peux compter sur moi

mais booy lii yàgg na de. ah oui may fàttali ko jour boobu noonu man mii waaye loolu neexul de nga lan moo neex xam nga rob bi kan moo ko moomoon man.

커피요? May Ndeye Marie yow fan nga xamee bàcc ma sàmm mi. bàcc ma sàmm dafa am lu mu leen war a wax moo tax mu ñëw bàcc vas-y. salaamaaleykum. xoolal s'il épargne ñu tey sa ay dañoo am ay xarit yu ñu bokk. non non yàlla moo ñu boole.

fan la la xamee Virginie. damay nettali wax koo xamante ne bëgg ci xolam mooy dox ci ndox di dox di sentir tàng si di dóor. And ak Lucas Avec Ben, bébé. mais lol man mi maa ko Virginie. oui ñu jot naa du lu ma foog xoolaa ma ne kii moom malaaka yi door a ko posé question bi gars yi yàkkamti que deu kaaw naa ko waaw mat na waaw mat na waaw. waaw allo grand Bathie. waaw leen ko la looloo ëpp. maa ngi benn motos bu mool ngeen pour yow. Yàlla c'est à propos de Abou. exactement. mais est-ce que mën na bàyyi ko demee. ma ñëw rek instant bi instant yi mënu ma sax kon ne di wax ak yow lii du waxu téléphone quoi. mooy fi ma la fekkoon bi passé. waaw d'accord foofu la maa ngi ñëw fët fët. Jambar kii yàgg na ci hôpital bi intervention bari na parce que elle resu reçu beaucoup de en plus bi ma ko seetee gaynde kii dafa ëmb. doom ji ba léegi deewul. risque yi jël nag bari na amuñu ndëbboo suma waay nga mais bu ma sañoon nga delloo koy mbokkam parce que kii ñi ngi koy seet. la Non, non, en fait, j'avais une envie pressante de me donner aux toilettes. tak